forum du studio le forum du studio le forum du studio calam, le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum Vous écoutez le programme du studio Kalangu qui émet depuis Niamey. Dans la région d'Agadez, à Arlit, vous nous écoutez sur les radios Ikokan et Kausen et dans la région de Maradi. À Tessawa, vous nous recevez à travers la radio Tarmamoa. Bienvenue à toutes et à tous dans le Forum de la presse de ce vendredi 21 février 2020. Le Forum de la presse est notre rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité. Au menu du Forum d'aujourd'hui, trois sujets à Difa, une bousculade meurtrière est survenue lors d'une séance de distribution gratuite des vivres. Le bilan est dressé fait état d'au moins 15 morts. À Tilaberi, trois condamnations à mort ont été prononcées à la date du 15 février par la Cour d'assises de la région. Et à Niamey, la Commission électorale nationale indépendante CENI a organisé une rencontre avec les partis politiques pour échanger sur, entre autres, l'évolution du processus de l'enrôlement biométrique. Autour de la table pour en discuter, nous avons nos confrères D'abord, Elage Suleiman Mahamadou, journaliste au journal La Ligne Niger Inter. Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de ce forum. Bienvenue à toutes et à tous dans le forum de la presse que nous ouvrons par cette affaire de bousculade meurtrière survenu à DIFA lundi dernier lors d'une séance de distribution gratuite des vivres. Le bilan est lourd, une vingtaine de morts ainsi que de nombreux blessés, en majorité des femmes et des enfants. Le drame est survenu à la Maison des Jeunes et de la Culture de DIFA où la population s'est ruée pour recevoir des dons offerts le week-end par le gouverneur de l'État de Borno au euh, du Nigeria lors de sa visite de travail dans la région. Alors, je commence tout de suite par vous, Elal Suleiman Mahamadou, du journal La Ligne Niger Inter quelles sont les informations dont vous disposez sur ce qui s'est réellement passé à DIFA lors de, cette distribution de vivres et comment en est-on arrivé à ce point Je pense que c'est un drame, euh, un drame qu'il faut déplorer tout de suite. Euh, euh, vous voyez, c'est autant les attaques terroristes font des victimes, on ne peut pas comprendre que les distribuer un don puisse causer tant de morts. On parle d'une vingtaine de morts, vous l'avez dit, une quinzaine de morts. C'est quand même assez insupportable. Euh, mais je pense que, selon nos informations, il faut déplorer euh, l'attitude du gouverneur de Borno, qui est venu faire un don et il a, d'une certaine façon, selon même le gouverneur de, de Difa, il a voulu lui-même distribuer ce don et que selon un député de la région, un député national, euh, d'habitude, ça ne se passe pas comme ça. Et les autorités coordonnent la disposition des dons et ça a toujours été fait, ça n'a jamais causé de, de problème. Et semble-t-il, euh, c'est les représentants des des bénéficiaires qui viennent parce que c'est organisé. Euh, donc, dans tous les cas, ce qui est arrivé est arrivé parce que tout simplement, il y a cette façon de faire autrement euh, on se demande euh, comment lui, en fait, qu'est-ce qu'il vise à travers cela et comment les autorités l'ont laissé faire euh, ce que bon lui, semble. Mm. Donc il y a des questions vraiment sa sans réponse. On constate que véritablement jusqu'à présent, en tout cas, le gouvernement, c'est vrai, le gouverneur de Dufa a, communiqué là-dessus, mm. mais on aurait bien voulu en tout cas avoir plus de clarté sur la, sur, la question. Mm. Donc moi je pense que franchement, euh, cela doit interpeller qui de droit pour que plus jamais, plus jamais en tout cas, une telle situation ne puisse se reproduire. Gary Amadou, du quotidien La Nation, quelle information vous, vous avez à propos de, de, ces, ces, drames survenus à, à Difa euh, Comment euh, en est-on arrivé à, ça Oui, j'ai la même information que Suleiman, mais selon certains, ce n'est pas pendant la distribution, peut-être c'est avant la distribution, au moment où les gens voulaient rentrer, qu'il y a eu la bousculade. Mais cela dit, c'est quand même triste qu'on assiste à un bilan aussi lourd, et surtout des enfants, vous avez des enfants de quelques mois qui sont écrasés. C'est vraiment c'est terrible ce qui s'est passé. Mais moi, je, n'accuse pas le gouverneur de Borno. S'il y a quelqu'un qu'on doit accuser d'avoir laissé faire, c'est bien le gouverneur de la région de l'IFA. Il ne faut pas qu'on se, qu la face. C'est très simple. Seulement, nous a expliqué que d'habitude, voilà comment les choses se passent. Il y a une procédure. qu'on respecte. C'est-à-dire que, alors pourquoi le gouverneur de la région de l'IFA a laissé le gouverneur de Borno faire ce qu'il voulait parce qu'apparemment, c'est ah, dans un but purement politique qu'il l'a fait. C'est-à-dire, il voulait euh, euh, certainement avoir une certaine popularité au niveau de son électorat, qu'on dise que, ah oui, oui, alors le gouverneur de Difa aurait dû lui dire, écoutez, monsieur le gouverneur, c'est très bien votre idée, mais voilà comment on va faire. Votre, euh, votre appui, vous l'amenez, et puis on va s'asseoir avec vos représentants et les représentants du gouvernement de, de DIFA, on va organiser cela. Donc moi, je ne peux pas vous laisser faire ça parce que c'est extrêmement risqué. Mais le gouverneur de Difa l'a laissé faire parce que c'est ce qui s'est passé. Et donc, je pense qu'il euh, euh, euh, faut tirer les conséquences et faire en sorte que ce, triste épisode-là ne puisse plus se répéter. Issa Madougou, de la radio et télévision Ténéré, vous, vous avez même été à Difa. Quelles sont les informations à votre disposition par rapport à ces drames Est-ce que c'est le fait quand même que ce gouverneur de, Borno ait voulu faire la distribution lui-même qui a conduit à, à ce drame ou y a-t-il d'autres explications effectivement, le, lundi 17 février, ça m'avait trouvé à Difa. Ah c'était vers les environs de 7h. Moi, je sortais 7h30, je sortais quand j'avais vu assez de foule. Et j'ai demandé, parce qu'il n'y avait pas de moto, il y a, ce qu'on appelle les adhérents d'État, les là. Mm. Celui qui me connaissait, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a tant de femmes ah, il m'a expliqué qu'il y avait une bousculade qui a eu lieu ce matin très tôt au niveau de la MJC. Alors on sait déjà que Zulum était dans la région et c'est dans leur habitude, les gouverneurs, de, quand ils viennent, ils jettent l'argent, ils font des distributions et c'est des miettes que le gars il était venu distribuer. Alors il voulait faire, d'ailleurs, certains mm, euh, nombre de messages qu'il a véhiculés avant d'arriver à Difa quand il a passé dans l'autre camp, c'était un peu de les préparer pour euh, euh, un probable rapatriement dans leur pays. Parce que j'estime que. Vous dit, parler des réfugiés nigériens C'est les réfugiés nigériens. Mmh. Mais il a commencé la distribution le dimanche. Il y a d'autres qui ont eu. Alors lui, il a quitté. Il a quitté, mais sa délégation était restée. Alors les gens étaient là le matin pour continuer. Parce que vous connaissez l'être humain. Il n'y a pas cet état d'être parfait ou bien de ne pas avoir d'état dans le comportement. Ce n'est pas seulement des Nigériens qui sont décédés. Il y a des Nigériens qui sont décédés. Alors les gens se sont amassés à la porte de la MJC attendant que l'ouverture. À peine l'ouverture est ils se sont bousculés. Mais moi, ce que je retiens de ça, c'est vrai, c'est y a, je suis dans la logique de Gary. Hmm. Parce que le seul responsable de la situation, je suis désolé de le dire, mais c'est Issa Lamine. Le gouverneur de, la région de Difa. Parce que chaque site, sur chaque site, on sait il y a combien de personnes, combien de ménages. Ce n'est pas de la pagaille qui se passe à hmm. Difa. Sur les sites des réfugiés et des déplacés, on sait combien de personnes il y a, hmm. combien de ménages. Donc si vous voulez faire des dons, vous savez là où il faut aller. Vous n'êtes pas obligé d'appeler les gens à la MJC pour leur dire. Et d'ailleurs, dans les explications, moi j'ai eu à DIFA, euh, même avec beaucoup de. On nous a dit c'est 20 morts avec 12 blessés. 20 hmm. morts, c'est trop. Des, enfants et des, femmes. Hmm. Mais dans les explications même du gouverneur, quand moi j'ai l'ai écouté, quand il disait que les femmes étaient là-bas jusqu'à 2 h du matin, dans une ville où il y a, la couvre, il y a le couvre-feu, les états d'urgence, où à partir de 20h, tout ce qu'il a comme engin s'arrête de circuler et les piétons continuent jusqu'à 22h. Hmm. Si à 2h du matin, des gens peuvent se lever et circuler à 10 fois, mais ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Hmm. Mais c'est dangereux dans ce hmm. cas. Mais c'est quoi ce paradoxe Parce que c'est des, explications, c'est des choses qu'il ne faut pas perdre de vue. Il dit à 2h du matin. Si à 2h du matin, quelqu'un peut se lever et circuler à Difa, mais ce qui veut dire que la situation n'est pas encore euh, résolue. Alors, cette, distribution était destinée initialement aux, réfugiés nigériens, mais... il se trouve que euh, des Nigériens, des, populations. Mais évidemment, c'est ça que tout à l'heure je disais que l'être humain, nous sommes des humains. Mm. Et quelqu'un qui est en détresse. Est-ce que finalement ce n'est pas aussi ce qui a. c'est parce que ce n'est pas encadré. Mm. Si ça a été encadré, on connaît là aussi aujourd'hui. Mohamed Kouzi veut faire un don à des réfugiés, mm. il connaît les sites il y a des sites, quand vous partez là-bas, les humanitaires vont vous donner des sites. Tchenchendi, Awaridi, tant, tant, tant. Voilà, si vous voulez aller là-bas, il y a tel nombre de ménages. Le don que vous avez amené, voilà, on va répartir ça en tel nombre de ménages. Voilà, voilà comment. C'est très oh, simple. ce qui s'est passé à Difa, c'est vraiment un vice dans le. Je ne peux pas dire que c'est. je ne peux pas prendre comme, euh, par exemple, certaines observations comme parole de Coran. Mm. Certains les gens de Difa disent que ça frustré, c'était la colère. Les gens étaient en colère parce que pour eux, c'est encadré. Il n'y a pas besoin de faire ça. S'il veut faire vraiment de la charité, il sait comment le faire. Et c'est il faut endosser la responsabilité. Moi, il y a quand même quelque chose. Euh, avant de suivre le gouverneur de DIFA sur Télé Sahel, je l'ai suivi sur RFI. Il a dit clairement sur RFI que c'est deux moments différents. Il y a un moment pour la distribution et il y a un moment pour la bousculade, justement. Autrement dit, les, les morts, ce n'était pas vraiment pendant la distribution. Mmh, donc, effectivement, cela dit que les gens sont allés très tôt, vers 3h, 2h du matin. Attendant le, le donc, euh, c'est ça euh, qui est très déplorable. Maintenant, effectivement, comment il peut expliquer cela Cela veut dire que si c'était bien coordonné, les gens vont venir à des moments précis, pas comme euh, dans la nuit. Hmm. Donc, euh, dans tous les cas, Ou bien qu'ils puissent être je pense hmm. que, comme on l'a dit ici, il faut situer les responsabilités. Et franchement, ça doit interpeller. La vérité, c'est que, en fait, euh, si on est arrivé là, c'est qu'effectivement, les besoins présents. Ils sont présents tant au niveau des réfugiés au niveau des populations, effectivement, qui veulent profiter. Ça, c'est connu même euh, ici à Niamey, quand il y a chez des, euh, en tout cas, les, personnes généreuses, mm. quand il y a distribution, il y a une pagaille, les gens chacun veut, venir avoir sa part. Parce qu'il il y a une pauvreté, quand dit de certaines façons, certaines personnes qui sont vraiment euh, diminuées. démunies. Et vous, vous comprenez, avec les gens qui sont réfugiés, ils ont tout perdu, ils n'ont rien. Donc vraiment, c'est l'occasion pour eux de venir, en tout cas, se révitailler, mm. avoir quelques moyens de, survie. Mm. Merci. Euh, euh, oui, mais ce que j'ai dit, mm. ce que là où le gouverneur n'est pas excusable, comme l'a dit Issa, organiser une distribution à la MJC, c'est un show. C'est un show. Ce n'est vraiment pas humanitaire. On connaît les sites, n'est-ce pas, les sites des réfugiés, il suffit tout simplement de distribuer la quantité là, en fonction des sites, vous connaissez les nombres, et puis le truc est évité. Mais si vous venez à l'AMJ, c'est ce que vous vouliez faire un show. C'est très clair et net. Oui, pour ajouter, par exemple, euh, oui, c'est vrai, il a dit euh, que la distribution, le jour du drame, c'est qu'il n'y a même pas eu de distribution. Mm. C'est au début, quand ils ont ouvert les portes, c'était le lundi. Mais les gens, c'est ça que les gens disent, on ne peut pas permettre à ce que ça se passe au niveau de la MJC. Mm. Parce que on a compris que dans ce pays, surtout les zones, les régions frontalières euh, du Nigeria, quand les autorités nigériennes viennent dans nos pays, c'est pas parce que nous sommes un pays pauvre ou bien qu'ils sont plus puissants que nous, ils vont se permettre de faire des choses qu'ils peuvent faire. Il y a un gouverneur dans un passé récent, également lui-même quand il vient à Difa, qu'est-ce qu'il fait C'est l'argent Nera qu'il sort il jette dans la rue. Non, c'est ça le comportement qu'il faut éviter. Il ne faut pas mettre. Parce que. peuvent courir à, euh, à des drames. Par exemple, aujourd'hui, ces gens-là qui sont morts, c'est trop quand même. 20, 20, 20 personnes décédées. Mais les gens pensent que c'est 20 morts, c'est. y a on a vu On devrait même décréter un deuil. Mhm. Même si ce ne sont pas des Nigériens, la majorité, quand même, on devrait décréter un deuil national. Parce que franchement, on devrait compatir à leur douleur. Et on devrait responsable. Il faut qu'on tire aussi l'attention de Zulum, le gouverneur de l'État de Borno. Mhm. Franchement, s'il veut faire de l'humanitaire, qu'il respecte les. Euh, euh, aujourd'hui, tout le monde sait que la manière. On a un ministère Créer pour coordonner l'action humanitaire. humanitaire vous ne euh, pouvez pas venir comme ça dans la pagaille pensant que vous êtes dans un marché, vous êtes dans un État. Dans cet État, il y a des règles et des dispositions. Conformez-vous à ces règles. Hmm. Bien, Issa, nous allons passer au second sujet de ce forum. Euh, la cour d'assises de Tilaberi a prononcé, je le disais, trois condamnations à mort à la date du 15 février 2020, au moment où on sait que de nombreuses voix s'élèvent un peu partout dans le monde pour dénoncer euh, la peine de mort. Euh, pour Bilou Al-Mokhtar, président de la coalition nigérienne contre la peine de mort, une révision du code pénal est plus que nécessaire, car le débat sur la peine de mort ne devrait plus être d'actualité selon lui et selon les dispositions de la Constitution. Je vous propose d'écouter Ilo al interrogé par Diallo Mariam Kenda. La Constitution de la République du Niger de 25 novembre 2010 a pourtant clarifié la sacralité de la vie de la personne humaine, les articles 11, 12, 13 de la Constitution. Est-ce que en matière juridique, il y a une procédure La procédure, c'est la révision du code pénal dès lors que le code pénal nigérien dispose toujours des dispositions qui entraînent à la condamnation à mort, nous préconisons et nous insistons sincèrement sur la révision du code pénal pour que ça rime avec les dispositions de la loi fondamentale qui est la Constitution du Niger. Ilou Al-Mokhtar, président de la coalition nigérienne contre la peine de mort, euh, sur ces cas de condamnation à mort. Euh, Elle Suleiman Mahmoud, qu'en pensez-vous de ces débats autour de la peine de mort Vous savez, ce débat a été fait pendant le Parlement de la transition. Euh, la transition de Salut Joubo, en euh, gens ont voulu véritablement réviser pour supprimer la peine de mort. Mais je crois que, euh, selon mes informations, eux-mêmes vote hein. La majorité, je crois, a tranché pour le maintien. Dans tous les cas, c'est un débat où, personnellement, je pense que quand je considère, nous sommes des croyants ici au Niger, nous sommes en majorité des musulmans. Hmm le Coran consacre par exemple un principe œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que la peine capitale, euh, la, loi elle est faite pour prévenir en fait. Je ne suis pas sûr que c'est mépriser le droit de l'homme que de sanctionner quelqu'un à la hauteur de son crime. Hmm. Je ne le pense pas. Hmm. Donc c'est dire que le plus important c'est de s'assurer que le jugement a été fait conformément en tout cas à la loi que les droits de la défense ont été respectés, lorsque la personne, son crime, effectivement, mérite la peine capitale, je ne vois aucun inconvénient. Donc, de mon point de vue, euh, c'est un débat encore une fois. En tout cas, les défenseurs des droits humains, il a émis l'idée effectivement de réviser. Mm. Est-ce qu'ils peuvent, parce que au, nouveau niveau de la, de la, transition, il y a toutes les forces civiles représentées, dont les religieux, mm. les autorités en tout cas, tout le monde était là. Et selon mes informations, euh, la majorité n'était pas favorable, en tout cas, à ce qu'on révise, euh, à ce qu'on supprime la peine de mort au Niger. Hmm. Donc, bon, c'est un débat, mais moi, en tout cas, pour faire court, de mon point de vue, ce n'est pas manquer, en tout cas, au, respect des droits humains que de sanctionner les gens. Parce qu'en réalité, vous voyez, en ce moment de terrorisme, euh, lorsque les gens peuvent venir banaliser les libertés fondamentales, tuer les gens comme ça bêtement, je pense que demander à lever, à supprimer la peine capitale serait franchement tout simplement perpétuer le crime, euh, vous voyez. Hmm. Parce que je dis encore une fois, c'est pour effectivement prévenir. Quand tu sais que quand tu commets un, tel crime, euh, tu, tu vas réfléchir avant de le commettre. Hmm. Garé Amadou oui, en fait, et vous savez, euh, quand Robert Badinter, ce homme politique français, avait en tout cas fait le combat pour l'abolition de la peine de mort en France, en fait, c'était parce que l'argument principal, c'est qu'il y avait souvent des erreurs judiciaires. Et des personnes étaient condamnées. Et après, on s'est rendu compte qu'elles n'avaient Quelques années après, leur exécution. Vous savez, par exemple, aux États-Unis, il y a eu beaucoup de condamnations à mort mm. qui ont eu lieu. Des gens ont été exécutés. Après, quand les tests ADN sont venus, les enquêtes ont été rouvertes. On a compris que celui qu'on avait exécuté n'était pas le coupable. Mm. C'est comme l'histoire de, ce jeune, de ce jeune garçon de 14 ans, euh, un noir, mm. qui avait été mis sur la chaise électrique. Il ne pouvait même pas tenir sur la chaise électrique parce qu'il y avait deux, deux, deux, jeunes, deux jeunes femmes blanches, qui, enfin deux jeunes enfants blancs qui ont été tués. Il se trouvait par hasard là-bas. On l'a attrapé. Il a fallu euh, les années passées pour qu'on découvre que c'était pas lui le coupable. Mm. Ouais, et il a été exécuté comme pour la les, pour, les tenants, réalité, de, l'abolition de la l'argument, c'est vraiment éviter les erreurs judiciaires. Éviter les erreurs judiciaires. L'argument se tient. Cela dit, euh, moi, je suis pour l'application. Moi, je suis pour la peine de mort. Ce mm. Ceux qui me peine, c'est qu'elle n'est pas appliquée. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'on ne peut pas maintenir une loi et, et, puis ne pas, ne pas l'appliquer. Si on ne peut pas l'appliquer, il faut tout simplement la lever. Parce que, en tout cas, depuis 1976, il n'y a pas eu d'exécution, d'application de, la peine de mort, même si elle est prononcée souvent contre Il y a, des, des, crimes horribles dans ce monde. J'ai suivi il y a quelques, quelques jours une exécution sur la place publique en Somalie deux hommes, deux gaillards qui ont violé une petite fille de 12 ans. Ils l'ont violée, ils l'ont étranglée. Mais ils ont été exécutés à la face publique. Et c'est très bien comme ça. Pour que ça puisse faire Mais des monstres comme ça, la peine de mort est nécessaire. Non seulement elle est du dissuasive, comme l'a dit Suleiman, mais en plus, il y a des crimes. Franchement, je pense que la, personne qui commet ces crimes-là, elle a parlé aussi de terrorisme. De, mais les terroristes, moi, d'abord pour les terroristes, je vais être franc, moi, je ne veux pas qu'on fasse des prisonniers. Hein. <laughs> Ah non, non, non, je l'ai dit sur ce Je n'aime pas qu'on fasse un prisonnier terroriste. C'est dur à, gérer. Il faut les nourrir, c'est tellement compliqué. J'ai dit à l'armée de ne pas faire de prisonniers. C'est inutile. Sauf sauf qu'en temps de guerre, quand la personne abandonne, voilà, <laughs> on ne peut plus l'exécuter. ces gens-là qui viennent nous attaquer, mais vous croyez que la Constitution, c'est ça leur truc, c'est leur problème Vous croyez qu'eux, ils font de la dentelle Non. celui qui fait, celui qui commet un crime, qui est jugé, condamnable, passible de la peine de mort, qu'on le condamne à mort. Et mieux, mais bon sans qu'on commence par exécuter les peines. Et on va voir que ça va avoir des Là, vous allez avoir les défenseurs des. Ah non, je ai dit. Vous savez, j'ai eu cette discussion-là avec le président de la coalition contre la peine de mort, al mustafa ah, Je lui ai dit, al mustafa j'aime bien ton combat, mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Hein. <laughs> ah, moi, je suis pour la peine de mort. Il dit pourquoi J'ai dit, mais, il dit, mais le monde est tellement horrible, il y a des, monstres dans ce, monde bien, Bien garé. Issa Madougou, de la radio et télévision Ténéré, qu'en pensez-vous de ce débat autour de la peine de mort euh, qui est relancé, en tout cas récemment, avec ces trois condamnations à mort prononcées à Tilaberi Bon, moi, n'étant pas euh, un expert du domaine des droits, mais je donne mon appréciation. Moi, je pense que tout d'abord, chaque pays a ses réalités. Alors, euh, est-ce que trop de liberté ne devient pas parfois de l'anarchie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là dans un monde où il y a des, perversions qui vont au-delà de la morale. Donc il faut que si ces genres de crimes sont commis, il faut, il faut les sanctionner. Il faut laisser les juges prendre les décisions. Moi, je pense que le plus souvent, même dans nos pays en voie de développement, je ne dis pas 100%, mais je ne pense pas qu'il y a assez d'erreurs dans les condamnations comme ça se fait dans les pays développés. Parce que c'est vrai, nous, nous avons pris quelque chose auprès d'eux. Mm. Mais dans les applications, nous, nous sommes plus rigoureux et plus regardants par rapport à un certain nombre de mm. choses. Les condamnations à hasardeuses, là, on les trouve plus en Europe, mm. ou bien aux États-Unis, ou bien dans d'autres pays développés. Mais quand même, moi, je pense que ce combat, pour dire, bon, il faut l'appeler moi, personnellement, je suis pas contre, je suis pour, évidemment, pour la peine de mort. Non, il faut, il faut, il faut exécuter. il suffit pas seulement, il suffit pas simplement, par exemple, même si ça tombe tout le il faut m'exécuter, Il faut, suffit pas simplement de dire on a condamné, parce qu'il faut des moyens de dissuasion. Il y a des gens qui nourrissent des ambitions qui vont au-delà même du génocide. Hein. Donc, il faudrait que eux aussi, quand ils voient ça, comment, comment peux-tu comprendre, par exemple, quelqu'un qui a violé une fillette de 3 ans jusqu'à mort on condamne la personne, on le laisse en, prison comme ça au bout de 3 ans, ou 4 ans, ou 25 ans, on dit bonne conduite, on le libère. Ce n'est pas un danger pour la société. Voyez-vous, moi, c'est pour cela dans cette question du droit de l'homme. J'ai dit oui, il faut les droits de l'homme. Mais quand même, il ne faut pas exagérer dans ces droits de l'homme. Il faut vraiment que nous comprenions un peu que quand il ne faut pas à chaque fois dire non, que parce qu'on a tout le monde sait que la vie est sacrée. Mm-hmm. Mais nous ne sommes pas aussi des musulmans. Nous sommes aussi des musulmans. C'est dans la, logique de l'islam, quand tu tues, on doit te tuer. Aujourd'hui, selon par exemple, j'ai écouté une scène horrible au Nigeria voisin. Un père euh, qui avait euh, violé ses filles de 3 ans et de 7 ans. C'est effectif, mais au lieu de les sanctionner, c'est un douanier, semble-t-il, c'est la mère qu'on est en train de, Un, jour, je l'aurais même arrêté. En ce moment-là, heureusement, maintenant, avec l'émission euh, de La Voix de l'Amérique, maintenant, les gouvernants, en tout cas, tout le monde est en train de vouloir faire juste à la, à, la dame et à, ses filles. C'est-à-dire que les gens comme ça, un pas de, euh, qui peut faire ça à ses propres filles, mais c'est comme l'a dit Gareth, c'est un monstre. Euh, donc, franchement, je pense que toute proportion gardée, il faut se dire que, respectant les droits humains, la meilleure façon, créer les conditions d'un procès équitable, juste, mm. en assurant la défense des gens. Mais lorsque effectivement la loi elle-même a prévu une sanction appropriée, il faut effectivement qu'elle soit appliquée. Ailleurs, on a les détails, comment on doit tuer la personne. Euh, donc peut-être ici, on a, on a prononcé la, peine de mort. quelque chose à Maintenant, les associations qui sont dans, cette, dans ce combat, moi j'aurais bien préféré, par exemple, s'ils ils estiment que ce n'est pas bien. Alors, si la condamnation, ils doutent de la condamnation, alors ils peuvent demander la réouverture du dossier. Or, même les enquêtes, on va voir. Par exemple, c'est quelqu'un qui a tué. J'ai entendu que parmi les trois condamnés, il y a quelqu'un qui a tué sa femme. Hmm. Tout le monde sait que quand tu tues quelqu'un, même si euh, on, va te tuer. Il faut, il faut qu'on essaie parfois de ne pas promouvoir l'hypocrisie humaine. Alors, il faut être dur avec <coughs> nous-mêmes. Mm. Quand il y a une sanction, que ça tombe sur tout le monde. Il faut l'appliquer. Il ne suffit pas aussi de le prononcer. Mm. Mm. Alors, en tout cas, selon toujours Bilou Al-Mokhtar, en 2019, il y a eu huit condamnations à mort euh, qui ont été prononcées, notamment à Zender et à Niamey. Quatre à Zander, quatre à, Niamey. C'est-à-dire qu'on se rend compte que de plus en plus, il cette cette peine revient. Mais si le pays n'a pas euh, euh, tourné le doigt à ça, pourquoi le pays ne peut, pas appliquer ces lois Les lois sont faites pour être appliquées, c'est le code pénal qui le dit. Moi, je, pense que ce débat-là, s'ils veulent vraiment l'opposer, ils poser, amener des arguments avec les juges, et tout le monde va essayer de, voir comment, dans quelle mesure. Mais il ne suffit pas de se lever pour dire nous, nous condamnons, nous condamnons. Et vous condamnez, vous, avez, vous savez c'est pas parce qu'on dit que la vie est sacrée qu'on va te permettre à ce que tu puisses commettre des crimes que même l'imagination humaine parfois ça dépasse. par exemple, pendant d'un pays comme l'Arabie Saoudite, j'ai lu vraiment une étude euh, sur la charia. Vous voyez, en réalité, même quand on applique euh, la peine capitale euh, euh, autrement dit, si c'était systématique, euh, on ne tient pas compte d'un de, euh, d'un travail vraiment de vérification des crimes. Hmm. Vous allez voir une société, par exemple, pitié ou on tue tous les, tous matins gens. C'est-à-dire qu'en fait, même dans le cadre où cela est pratiqué, c'est une vraie justice. on va faire une instruction, il faut établir les faits avant de prononcer la peine. Mais seulement c'est là le problème, effectivement, lorsqu'il est établi que les faits sont constitués, à ce moment-là, il n'y a pas de circonstances atteignantes. Il faut absolument exécuter la peine. Et il faut le faire parce qu'arrêter, ce n'est pas seulement le criminel. Sa mort doit en fait prévenir, doit servir aux vivants, qui sont aussi euh, enclins souvent à faire euh, la même chose. Mhm. Encore que, encore que dans les, pays, où la charia existe, euh, l'islam a même autorisé. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est un crime de sang, eh bien, si la personne est condamnée à mort, eh bien, la famille de la victime peut pardonner et en fonction, il y aura une compensation financière. En ce moment, la peine n'est pas appliquée. Mm. Mais là où je rejoins ce que l'activiste contre la peine de mort, c'est qu'aujourd'hui, dans les faits, ce que j'ai dit, mais cette loi-là inutile, c'est à ces peines-là qu'on prononce. Mm. On dit on ne l'a jamais appliquée depuis 1916. Donc, cette loi-là, actuellement, là, il a raison, ça ne sert à rien. Et moi, ce que je veux, je veux qu'elle serve à quelque chose. Mm. Je veux qu'elle soit appliquée, de grâce. Parce que je vous dis, il y a le diable sur terre et le diable habite certaines personnes. Vous pour l'exécution des, peines Ah non, il y, a des crimes pour lesquels quelqu'un qui viole une fille de 3 ans, se douanier nigérien sa propre fille. Mais qu'est-ce que quest qu'on va faire Qu'est-ce que l'humanité va faire avec ces genre de personnes Entre nous. Les États-Unis ont compris. Vous savez, c'est une grande démocratie, les États-Unis. Pourtant, il y a des États dans lesquels la peine de mort est appliquée. Le Texas. Mais la peine de mort est appliquée. Pourquoi Parce que ils ont compris que s'ils ne font pas ça, eh bien, les crimes il y aura des crimes Aujourd'hui, mais aujourd'hui, la conséquence, c'est quoi Aujourd'hui, au Niger, vous pouvez commettre le pire des crimes. Vous pouvez venir dans une maison, tuer cinq personnes, n'est-ce pas On vous attrape. Bien sûr, vous serez condamné à mort, mais non <laughs> Là où vous pouvez être tranquille, c'est que depuis 1916, la peine de mort n'est pas appliquée. En réalité, c'est une peine de mort de pacotille. Et donc, l'activiste de la société civile, il a raison. Dans l'état actuel des choses, là, elle ne sert à rien du tout. Et là, je suis d'accord avec lui. Si ça ne peut pas servir, mieux vaut la lever. Mais j'ai dit, moi, je milite pour qu'on applique la peine de mort. Je vous assure, vous allez voir que ça va changer. Alors, comment élargir l'assiette comment, hein. eh, euh, comment expliquer le fait que, en tout cas, de plus en plus, on sent que euh, ce débat est relancé parce que, euh, à moins d'un an, on, voit que dans les différentes juridictions, il y a cette peine qui est quand même qui, est, prononcée. on sait qu'il y a d'autres crimes hein, qui sont qui sont commis. Justement, au début de mon intervention, j'avais fait cas du terrorisme. Non seulement ce nouveau phénomène doit plaider en tout cas au maintien de la peine capitale. Euh, mais aussi, euh, je pense euh, que en tant, que croyant, il faut le dire que le Créateur a voulu que cela soit, le talion soit une réalité. Aïe pour œil, dent pour dent. Parce que simplement, c'est cela qui peut garantir la justice. Hmm. Vouloir faire de la complaisance, tout simplement au nom des droits de l'homme, c'est perpétuer la corruption et la justice sur terre et le crime. Donc, euh, on est en train, comme vous le dites, de le, constater. Il faut plutôt que les défenseurs de droits, en tout cas de l'homme, euh, euh, puissent aussi se dire que déjà le statu quo les arrange. Parce que simplement, la peine, même si elle est prononcée, elle n'est pas, appliquée. Mhm. Parce autrement dit, les gens qui militent comme Garé vont demander effectivement l'application de la peine quand elle est prononcée. Mhm. Mhm. Donc, c'est dire que, de mon point de vue, comme on a dit, une loi qu'on peut appliquer mais euh, qu'on peut prononcer, en tout cas la sentence qu'on peut prononcer, mais qui ne pas être exécutée, je pense que là, vous voyez, elle, est, inutile. Donc il va falloir aussi que euh, qu'on puisse vraiment revoir cette situation. Ceux qui sont effectivement un, un danger pour la société, il faudrait que lorsqu'on prononce une peine, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, leur situation, leur sanction, doit permettre à la société effectivement de prévenir les dangers. Parce que si on ne fait rien, vous voyez par exemple euh, les crimes par exemple, économiques aujourd'hui. Hmm. Et Lorsqu'il y a impunité, c'est parce que c'est une impunité. Hmm. Quelqu'un qui fait euh, un, crime, de, en tout cas d'une telle gravité, hmm. si seulement on le voit seulement en prison, souvent, la prison, on va commuter ça en une peine, jusqu'à même, euh, en fait, avoir des peines. peine. Donc, c'est-à-dire que vraiment, je pense que il va falloir respecter, aussi le respect de la vie humaine qui est sacrée, parce que simplement celui qui tue quelqu'un, il n'y a pas d'autre solution. Si effectivement c'est sa raison, il l'a fait, euh, je pense que c'est le bon sens qui commande effectivement cette personne-là n'a pas le droit aussi d'ôter une autre vie. Euh, j'aimerais, oui, j'aimerais vous savez, rappelez-vous il y a quelques l'année dernière au sein de la ceinture verte, des gangs ont intercepté des gens, ils les ont froidement tués. Et selon ce que j'ai appris, lors de l'interrogatoire, le, principal assassin là dit que lui, quand il rencontre quelqu'un, ce qu'il faut que le gars parte à, euh, l'au-delà. Il dit il faut qu'il tue la personne. Et il lui fracasse le crâne, et puis des gens comme ça, mais, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là Et ce monsieur-là, il est là en prison. Et en plus, il coûte cher au contribuable parce qu'il faut le nourrir. Mais ça, c'est inutile, ça. De grâce, pour des crimes horribles appliquer la peine de mort. Bon sang par rapport à l'application, on sait qu'au Niger, en tout cas, on a, il y, a cette question qui revient souvent, notamment, on a les meilleurs textes du monde, mais souvent on a des difficultés. Ça, c'est n'importe quoi, ça. Cette, loi, cette, peine de mort depuis 1916, on prononce des, peines de mort, on n'applique jamais. C'est du mm. cinéma, on fait juste pour que ça corresponde au code pénal, mais on n'applique pas. Mais alors, ça sert à quoi Je mm. vous assure, si on appliquait la peine de mort là, les gens qui ont tué les gens de la ceinture verte là, il n'allait pas faire ce qu'il faut. Donc nous continuons sur le dernier sujet de notre émission. Je le disais, la Commission nationale électorale indépendante CENI a organisé une rencontre avec les partis politiques pour discuter euh, d'abord sur le bilan de l'enrôlement des électeurs de la zone euh, numéro 1, composée des régions d'Agadez, Dosso, Tawa et Tilaberi. Selon le quotidien Le Sahel, à l'exception de huit communes de Tilaberi, Makalondi, Toro Diabala, dans les Kemundi, Djagourou, Gorwal, et et une commune de Tawa, Tilia notamment, où le processus a été partiellement perturbé pour des raisons sécuritaires. 147 communes de la zone numéro 1 ont été arrolées. Le président de la CENI, qui a assuré que son institution reprendra ses opérations dès que les conditions euh, le permettront, la CENI a annoncé aussi que dans la zone numéro 1, environ 3 350 000 citoyens ont été enrôlés, dont 54% représentent des femmes. Gare Amadou, qu'en pensez-vous globalement du processus de l'enrôlement euh, biométrique en cours on, se, rend compte que euh, les choses se déroulent, euh, je ne vais pas dire parfaitement, mais, mais normalement. C'est-à-dire que en, réalité, le processus suit son cours et c'est très bien le bilan que la CENI a fait. Ça veut dire que les gens sont en train. on, le voit bien au niveau des, des, des centres d'enrôlement, les gens sont en train en tout cas de partir, de prendre conscience qu'il faut qu'ils accomplissent leur devoir de citoyen lors des prochaines élections. Et ça, c'est une très bonne chose. Et j'aimerais quand même que tous les partis politiques s'impliquent. Et je pense qu'aujourd'hui, l'opposition est dans une dynamique de participer à des élections parce que, malgré tout le tintamarre qu'ils font sur les médias, dans bien sûr, dans les, coulisses, ils vont au niveau des maisons pour inciter les militants à partir se faire enrôler. Et ça, c'est une bonne chose parce que les élections, euh, si toutes les parties prenantes sont impliquées, c'est vraiment un gage de réussite pour l'ensemble de, la nation. Hmm. Alors, El Suleiman Mamadou, on a vu, hein, en tout cas, euh, dans ce bilan, on, voit que c'est huit communes de la région de Tilabéry qui est confrontée depuis un certain moment à cette question de l'insécurité. Euh, les populations de huit communes n'ont pas pu être enrôlés à ces jours compte tenu de, de, la situation qui prévaut et la CENI qui, qui en tout cas de, de le faire dès que possible. Voilà comment peut-on arriver justement à ce que ces citoyens puissent rentrer dans leur droit de se faire enrôler. Euh, je pense que la CENI euh, est consciente euh, du fait que lorsque les conditions de possibilité euh, d'enrouler ces jeunes dans, ces heures que vous avez citées, le, en tout cas de le faire, parce que tout simplement, c'est une question euh, donc, euh, de droit, d'équité, de justice. donc, je pense que c'est simplement une situation donc, d'insécurité qui a commandé la mesure. Et je pense qu'au fur et à mesure que la situation va se décanter, ils vont procéder de manière spéciale, en tout cas, à enrôler les gens qui, sont, se situent dans ces sphères-là, donc euh, précités. Donc, euh, de ce point de vue, je pense qu'il euh, il est combat à CENI. Ils, euh, ils, savent que je pense qu'ils doivent déterminer un moment en rapport avec justement la situation sécuritaire pour, pour, le faire. Mais comme on, constate effectivement, il y a de plus en plus une, une, une sorte d'engouement Déjà à Sorolé, on voit chaque matin les gens qui viennent s'enrôler, ils postent sur les réseaux sociaux, je viens de faire mon devoir. Je pense que c'est une façon d'appeler les gens parce que ce n'est pas autrement. Mm. Le fait de s'enrôler, euh, c'est, en tout cas, pour peu qu'on soit républicain, qu'on soit vraiment citoyen, c'est que c'est tout simplement euh, euh, être dans vraiment les, normes, c'est-à-dire que voter euh, euh, en tout cas, c'est un droit. Et aussi, moi, j'ai en tout cas participé à l'observation des élections au Nigeria, au Togo, par exemple. J'ai vu que c'est des fichiers biométriques. Quand vous voyez, vous allez voir des photos des électeurs. donc, les empreintes Donc cela veut dire qu'en réalité, c'est une mesure communautaire. En tout cas, il faut suivre le rythme du, euh, du monde. Et vous conviendrez avec moi, c'est toute la classe politique, avec les partenaires qui ont en tout cas, euh, considérer que après, après audit que le fichier qu'on avait classique là, franchement, il, est, inopérant et il fallait tout simplement euh, le changer. Et je pense que véritablement, le simple fait de s'assurer que personne ne peut voter deux fois et une personne, une, euh, un vote, donc je pense que cela aussi va contribuer à la transparence euh, et à la la sincérité en tout cas du, scrutin. Donc bon, je pense que on voit par exemple euh, une, sorte, une, sorte de surenchère euh, ambiante où les uns et les, autres s'accusent de, tricherie. Tout cela, je pense que la CENI est là pour arbitrer. En principe, en principe, il y a des voies de contrôle lorsque les choses n'ont pas été faites conformément en tout cas à la loi. Parce qu'à partir du moment où la personne qui est enrôlée euh, ne euh, peut pas être, ça peut être deux fois, il y a les conditions déterminées par la loi. Donc je pense que cela, on doit faire confiance à la CENI qui doit aussi honnêtement euh, faire le travail pour en tout cas situer lorsque les gens ont été enrôlés de, de manière en tout cas illégale aussi, il faut le dénoncer. Les constats des doublons, les doublons vont être écrasés. Mais, absolument, c'est absolument euh, n'y a pas la possibilité de savoir qui a euh, triché. C'est même euh, absolument automatique dans la mesure où la personne ne peut pas figurer deux fois, comme par le passé. Bien. Issa Madougou, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour que ces huit communes autres de la région de, de Tilabéry puissent pouvoir passer à l'arrôlement ben, c'est comme euh, le président de la CENI a eu à le dire. Si la situation est favorable, Maintenant, déjà, on, sait que euh, c'est une situation qui préoccupe les autorités nigériennes. Moi, je pense que euh, si l'opération euh, comment mhm. soit mise en œuvre dans les prochains jours, je pense que ça peut stabiliser ces zones euh, et il faut essayer de voir dans quelle mesure il faut essayer de, stabiliser surtout les populations parce qu'il y a des gens qui sont en train de quitter. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de déplacés dans cette partie du Niger. Donc, comment les trouver aussi Ils sont en train de quitter leur, oui, leur village, leur position où on les connaît. Mm. C'est un défi aujourd'hui pour les autorités nigériennes. Et la CENI aussi ne peut pas aujourd'hui prendre le risque pour envoyer ses enrôlés dans ces zones d'insécurité où pratiquement on a vu combien de cas. Atilia des appareils ont été arrachés, vers menaces. il y a eu même une attaque où, à Sanam, du moins, il y a eu une attaque où, qui a coûté la vie à des gendarmes. Et, Effectivement, donc vous voyez, la situation elle est vraiment elle compliquée. Mais moi, je pense que euh, il suffit à l'État aujourd'hui de prendre ses dispositions pour que ces gens-là, parce qu'on ne peut pas euh, dire qu'il faut les exclure calmement. Et cette problématique aussi peut se poser ici à DIFA parce qu'il y a des zones aussi que surtout il faut aller, les Nigériens, ça se trouve aussi dans le lac Tchad. Il faut aller, il faut toucher ces zones-là. Mais moi, ce qui m'inquiète, si on dit que jusque-là, pour la zone, ils n'ont que 3 millions, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. Il faut sensibiliser les Nigériens sur leur droit de vote. Une zone qui est composée de, de quatre régions. Hein. Oui, quatre régions, 3 millions, moi je pense que non, c'est un peu, c'est peu peu quand même, à mon avis. Pour 21 mm. millions quand même, c'est un peu peu. Aujourd'hui, c'est un défi également pour la CENI de communiquer. Hmm. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez communiquer. Les gens, ce n'est pas pour le, parti politique dans lequel vous militez que vous allez vous enrôler. C'est parce que vous êtes Nigérien. Hmm. Vous avez une voix à donner lors des élections, que ce soit municipale, régionale, et, locale législative et présidentielle hmm. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut, il faut vraiment intensifier cela pour que les Nigériens comprennent. Ah. Parce que quand on vote, on ne vote pas pour quelqu'un, sauf si on est dans une autre posture. Par exemple, il y a aussi un phénomène que je vois même ici à Niamey. Les gens, il faut qu'on explique cela. Je vois. Quoi oh, Par exemple, aujourd'hui, on est dans la commune, à euh, l'arrondissement communal de Niamey 1. Donc on voit des gens qui vont aller là-bas, pourtant ce n'est pas leur euh, lieu de, résidence. de résidence. Restez, ça va venir chez vous parce que moi, je ne sais pas, sauf si ça a été changé. Vous voulez parler des gens qui peuvent quitter non, oui, moi, je sais qu'avant, dans le code électoral, je ne sais pas si cette disposition a été changée quand vous c'est pour les présidentielles seulement que vous pouvez voter partout où vous trouvez. Mais pour les législatives et les locales, il, faut dans votre Donc ça, c'est euh, un, travail qui revient aux partis politiques et à la CENI. Et évidemment aux partis politiques. je crois, Alors, là, je crois euh, ce que j'appelle le transfert. Je crois il y a une procédure... Euh, au niveau de la CNI pour transférer les votes. Euh. Mm-hmm. Mais je pense qu'on aura plus de précisions dans, les débats, Quoi. Mais j'ai appris que non, il y a, ça, une, il y a une, possibilité de transférer. Vous pouvez voter, mais on peut transférer euh, Vos voix mais il y a une procédure bien définie par la loi. Alors, euh, autre constat qu'on a, qui a été fait dans ces gens qui ont été enrôlés, c'est que, je le disais tout à l'heure, hein, on, on, estime que 54% de ces 3 millions euh, représentent, sont des femmes. Comment expliquer euh, <laughs> mais, C'est la composition du, dans, que les, dans les élections. On, a toujours vu mm. l'ardeur et comment dans la combativité, l'engagement, la détermination des femmes. les femmes votent plus que. C'est pour cela que parfois, quand on dit la participation politique euh, de la femme, elle est importante. Et sur le terrain politique, on voit que c'est les Non, c'est là-bas que ça traîne. Ça traîne là-bas pour la prise de conscience. Mais quand même, les femmes, elles sont les artisans, de, on appelle, euh, du processus. Elles participent évidemment. Hmm. Mais moi, ce que je voudrais vraiment, il faut qu'on sensibilise les gens. Hmm. Que l'enrôlement pour avoir sa carte d'électeur, vous ne le faites pas pour une formation politique. Vous le faites pour parce que vous êtes nigérien. Vous avez ce droit et ce devoir. Donc il faut que les gens comprennent cela. Moi, c'est vraiment parce que quand je vois quelqu'un qui dit non, je ne veux pas aller m'enrôler, moi, ça m'inquiète. Alors, Gary Amadou, est-ce que vous avez été tiqué aussi par cette euh, catégorisation de, femmes, en tout cas, ce grand nombre de femmes enrôlées par rapport aux, hommes Non, moi, ça ne m'a pas surpris. Vous savez, les femmes sont plus sérieuses que nous. Hein en réalité. <laughs> Non, par, rapport à, par rapport à beaucoup de choses, par rapport à l'engagement politique, c'est connu dans les partis politiques, n'est-ce pas les, le, Comment on appelle ça là Les organisations des femmes sont les plus dynamiques dans toutes les, toutes les, toutes les formations mm. politiques. Oui, oui. Mm. Nous, qu'est-ce qu'on fait Nous, on, milite et puis, qu'est-ce qu'on fait on, est un peu calculateur. Voilà, je vais militer parce que je veux un poste. Les femmes, c'est pas comme ça. Les femmes ont plus d'idéologie que nous. Elles sont plus sérieuses. Et mm. c'est pour cela qu'elles se, elles se mobilisent pour s'enrôler. En réalité, elles ont compris le devoir citoyen. Hmm. Nous, on n'a pas compris. Nous, on, est toujours en train de faire des calculs mesquins. C'est ça le problème, en fait. Et là, euh, pour euh, finir avec vous euh, rapidement. Je pense que, quand même, c'est assez intéressant de constater cela. Mais le vrai problème, c'est que maintenant, c'est celles qui vont être candidates, on va voir au niveau des, des listes pour être député, pour être conseiller. C'est à ce niveau effectivement Elles être au second, on espère que l'homme que aussi à mobiliser donc, euh, les femmes que, au niveau maintenant des, postes, de responsabilité. aussi qu'on puisse voir cela. Merci. Et nous sommes arrivés au terme du forum de la presse d'aujourd'hui. Nous étions en compagnie de nos confrères Elage Suleiman Mahamadou du journal en ligne Niger Inter, Issa Madougou de la radio et télévision Ténéré et Garé Amadou du quotidien La Nation. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de cette émission. Le volet technique a été assuré par Issa Lawali. Je vous rappelle le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes demain samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en cinq langues suivi de tous à la FADA. Et samedi dimanche, vous pouvez suivre respectivement les forums en Hausa et en Zarma. Bonsoir.